le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes en Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'actualité de la semaine a été marquée par l'attaque mercredi menée par des hommes armés au marché de bagages dans la commune rurale de Matankari, département de Dogondouki. Autre sujet lié à l'insécurité, c'est l'interdiction de circuler la nuit sur le territoire de la commune de Tilaberi. À Niamey, c'est le lancement des travaux d'aménagement de la corniche de Yantala et les opérations de déguépissement sur les artères de la capitale. L'actualité, c'est aussi la suite des compétitions de la Cannes U20 qui se déroule au Niger. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, oh, bonsoir. Garé Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, oh, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Hassan Boukara de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Au micro, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse que nous ouvrons, actualité oblige, par la situation sécuritaire au Niger. Trois morts, quatre motos calcinées, c'est le bilan d'une attaque à main armée mercredi au marché de bétail de Bagaji dans la commune rurale de Matankari, département de Dogondouki, Gare Amadou, euh, c'est la toute première fois qu'un tel acte euh, est, posé dans cette partie euh, du Niger. Peut-on parler d'attaque terroriste Comment l'expliquer pour, le moment, on, peut, on dit que c'est des assaillants non identifiés, mais mais apparemment, c'est une attaque terroriste parce que si c'était des bandits, quoi qu'ils allaient, ils allaient essayer, par exemple, de, en tout cas, de dépouiller certains en tout cas, Qui, sont, commerçants qui sont venus dans ce marché-là. Ces gens-là étaient venus pratiquement pour tuer les gendarmes. C'est un acte terroriste on ne sait pas c'est quel groupe euh, qui va revendiquer cela. Mais ce qui inquiète les gens, c'est que. Jusqu'à présent, il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de revendication. Il y a deux choses. Il n'y a pas de revendication et, à ma connaissance, il n'y a pas eu de communiqué officiel pour dire ce qui s'est passé. Moi, ça m'inquiète. Parce qu'une fois, j'avais dit, il ne faut pas laisser quand même que les rumeurs puissent se propager, mm. n'est-ce pas Que il faut que l'état-major puisse nous donner la bonne information à temps pour ne pas laisser la place aux spéculations. Mais apparemment, les leçons ne sont pas. Hier, on a vu le gouverneur de la région de d'Osso qui, a fait le déplacement. Oui, il a fait le déplacement. Mais enfin, nous, on a besoin d'un communiqué qui va nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a plusieurs versions concernant les morts, n'est-ce pas, concernant l'homme des assaillants, il y a plusieurs versions. Et jusqu'à présent, on n'a pas la, bonne version. Et quand vous contactez les gens, les gens ne peuvent pas vous parler parce que bon, ils attendent euh, en tout cas une communication officielle. Et jusqu'à présent, la pas la communication. Deux jours après les événements. Vous pensez que c'est n'est pas normal pour moi. Je pense qu'on ne doit pas laisser l'explication, euh, en tout cas, euh, prendre le dessus. On doit faire une communication. On doit avoir, recueillir les informations et pouvoir être dans la disposition de pouvoir donner la vraie information aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on a dit que les assaillants ont été poursuivis. Sur les réseaux sociaux, on dit que non, les assaillants ont été rattrapés et neutralisés. Mais nous, on ne sait rien. Et à défaut de la communication officielle, on ne peut pas confirmer que les attaques ont été neutralisés. Donc vraiment, je pense qu'au niveau de la communication, il y a des choses à revoir. Mais ce qui est inquiétant, c'est que l'attaque a eu lieu dans une zone, en tout cas qui n'est pas habituelle euh, en tout cas qui n'est pas connue pour être une zone où, en tout cas, les opérations des terroristes ont, lieu. D'habitude, c'est Difa, c'est le nord Tilaberi, etc., c'est Tawa. Mais là, vraiment, vers d'outils c'est extrêmement étonnant et c'est audacieux de la part de ces gens-là. Donc, ça appelle euh, euh, deux leçons. La première leçon, c'est que il y a euh, d'abord paix, à l'âme des disparus, mais les gendarmes sur les marchés ont tendance, en tout cas, à manquer de vigilance. Vous comprenez Parce que on dit que non, non, les gendarmes ont, en tout cas, les, entrées des marchés, c'est ça qu'ils bloquent. Mais dans quel but Est-ce qu'ils étaient armés au moment où ils ont bloqué les marchés Ou qu'est-ce qui se passe Et donc, le fait même qu'on est surpris, parce qu'il paraît qu'ils ont lancé une lance-roquette sous le hangar des gendarmes. RPG. C'est une lance-roquette qu'ils ont lancée sous, le, hangar des gendarmes. Donc, il y a vraiment à quelque chose, ça, me fait mal de le dire, hein. malheureusement, mais cette attaque de, des gendarmes au niveau de, marché va appeler la hiérarchie à changer de stratégie, en tout cas à sensibiliser. À être davantage vigilant. Vigilant, à sensibiliser les éléments. Maintenant, pratiquement chaque marché du Niger, est susceptible d'être attaqué. C'est ça qu'il faut que les gendarmes doivent se dire. Parce que ce sont les gendarmes qui sont au niveau des jours de marché, qui vont sur les marchés. Chaque marché est susceptible d'être attaqué. C'est ça la leçon. Et donc, il ne faut pas penser que non, non, ça n'arrive qu'aux autres, ça, n'aura lieu qu'à Difa, ça n'aura lieu qu'à Tilaberi. Non, non, non. Ça veut dire aujourd'hui que chaque marché d'un village du Niger est susceptible d'être attaqué et que les gendarmes doivent être vigilants. Point. Issa Madougou, comment analysez-vous cette surprenante attaque du bagage habituellement euh, paisible Merci Mokhtar. Je crois bien ce qui vient de se passer à Bagaji, une localité, il faut dire aussi, il faut situer un peu euh, proche de la frontière nigériane. la région même de Dosso n'était pas vraiment euh, euh, la cible de ces attaques depuis que l'insécurité a commencé dans notre pays. Aujourd'hui, on peut dire que cette situation est devenue nationale. Parce que à Maradi, même s'il n'y a pas eu des attaques, quand même avec la proximité de Zamfara, où on sait qu'aujourd'hui, le phénomène de groupe extrémiste. Euh, euh. oui, il y a eu la formation d'un groupe extrémiste qui tend vers la violence parce que l'extrémisme, c'est dangereux quand ça, ça, il y a cette combinaison avec la violence. Maradi aussi, on peut dire, même s'il n'y a pas d'attaque, mais quand même il y a l'inquiétude. Excepté la région de Zander aujourd'hui, on peut dire que tout le Niger est concerné par ce phénomène d'insécurité. Alors aujourd'hui, la première des choses, il faut que nous comprenions que ce phénomène d'insécurité n'est pas seulement l'apanage du gouvernement des forces de défense et de sécurité. Elle concerne, cette situation concerne les populations aussi, parce que il est inconcevable que des gens puissent venir en plein journée. Traverser toute, euh, toute la région. pour mhm. venir jusqu'à Bagaji. Et on dit qu'ils ont utilisé une arme RPG-7. Mhm. Donc, ce qui dit que selon comment ils ont pu, et à moto, comment ils ont pu passer et, dissimuler ce type d'arme sans que personne euh, ne puisse remarquer quelque chose pour voir que c'est étrange que des civils puissent traîner avec ce genre d'armes. C'est pour cela aujourd'hui, cette situation devrait nous interpeller et nous dire que nous avons, en tant que population, un rôle déterminant à, jouer. en donnant l'information, en alertant dès que nous constatons un comportement suspect qui est aux antipodes de notre quotidien, qui est reflété par cette cohésion sociale dont nous vivons, cette quiétude sociale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait aussi de ce côté voir Moi, je me suis dit qu'il ne faut, pas faut pas écarter euh, tous les facteurs. Déjà, ça n'a pas été revendiqué. Quand on, s'attaque à des symboles de l'État, ce qui veut dire que ces personnes, on peut, on peut les considérer d'une part des fruits de la radicalisation. Une radicalisation qui peut trouver comme sous-bassement les problèmes sociaux, ethniques, communautaires ou bien religieuses. Parce qu'on s'attaque au symbole de l'État. Ils sont venus dans un marché hebdomadaire, ils n'ont pas dépouillé, comme Garé l'a dit. Donc, pour vous, ce ne sont pas des bandits armés, c'est des terroristes Terroristes, pas proprement dit terroristes, mais des groupes armés qui reflètent le caractère de, euh, que l'extrémisme violent aujourd'hui, et des gens extrémistes sont là et qu'il fallait y repenser maintenant la méthode de comment pour lutter. Il ne suffit pas simplement de dire il va régler par la force. Vous savez, j'ai écouté quelqu'un une fois dans l'antenne libre sur RFI. pour finir pour vous donner. Il a dit quand il avait eu l'attaque de Bangui dans, le, dans la région d'Ottawa, où il y avait des communautés. il avait dit suite à cette attaque, on a constaté qu'il y a des groupes qui se sont radicalisés, qui se sont installés dans une forêt. Alors, depuis ce temps, aucune disposition n'a pas été prise. Je ne dis pas forcément que ce sont eux, mais c'est des cas que nous devons surveiller et trouver des solutions civiles, pas forcément militaires, pour comprendre les sous-bassements, les causes réelles de cette forme de radicalisation. Parce qu'aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés, qui met en péril notre système sécuritaire dans le Sahel, ce n'est pas seulement l'extrémisme violent religieux, c'est l'extrémisme violent basé sous des frustrations communautaires. C'est plus ethnique maintenant. Quand vous prenez de la bande du, centre du Mali aujourd'hui jusque dans le Gourma, c'est ce qui se passe. Donc nous, nous voulons assez que les gens se comprennent que aujourd'hui, quel que soit le comportement suspect, il est de notre devoir de les dénoncer, de d'informer l'autorité. Hassan Boukar, les drames se succèdent. Euh, peut-on dire que le manque de vigilance des habitants est pour quelque chose oui, euh, je suis d'accord avec euh, euh, Issa sur le fait que ce type de conflit aujourd'hui, on ne peut pas le gagner seulement par les forces armées. les principales victimes, ce sont les populations. C'est vrai que ceux qui sont sur le terrain et qui ont pour mission de défendre la patrie ont payé <clears throat> un lourd tribut depuis quelques années à ce conflit, mais ça montre qu'on ne peut pas gagner cette guerre sans avoir l'opinion avec soi. Je pense que c'est valable à Difa, c'est valable à Tilabiri. Mais ce qui s'est passé dans la région de Douchi montre que c'est aussi valable un peu partout sur le territoire national. Je pense qu'on vit vraiment un moment difficile. Il est temps qu'on puisse euh, travailler l'opinion de ce pays pour dire que le fait qu'on soit dans une zone euh, ou dans notre voisinage immédiat, on a beaucoup de foyers de tension, fait que nous ne sommes jamais en sécurité. Là, euh, personne ne s'attendait, comme l'ont dit mes prédécesseurs, de la zone de Duchou, on peut s'attendre à Difati Labéry. Mais alors, peut-être qu'un jour, tous ces bus qui quittent Niamey pour transporter les gens le long de, la nationale numéro 1 ou sur d'autres routes, un jour, peut-être que c'est des bus qui vont être interceptés à des endroits où personne ne s'y attend. Et donc, ça montre quelque part la présence vraiment de l'insécurité sur le territoire national et ça pose euh, un défi énorme à tout le monde. Euh, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en campagne. Je pense qu'il y a un vrai défi aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail de, sensibilisation, un message à l'endroit de la communauté pour les doubler en, vigilance. Euh, parce que là, euh, apparemment, le type d'armement qu'ils ont utilisé aurait pu être aperçu, Par des, voilà, détecté par des gens s'il y avait beaucoup de vigilance et si il y a une sorte d'alerte qu'on a développée au sein de la communauté. Peut-être qu'on aurait pu éviter ce drame qui est arrivé avec la mort de ces, de ces gendarmes. Donc ça pose euh, pour moi euh, une responsabilité pour les communautés. Euh, il faut vraiment les travailler, il faut les amener à être beaucoup plus vigilants, beaucoup plus alertes. Et c'est seulement la combinaison entre les populations et les, gendarmes. Tout à l'heure, Gary Amadou a parlé de la vigilance au niveau même des, forces de défense et de sécurité. Je pense que euh, peut-être aussi qu'il y a eu un manque de vigilance parce que si vous êtes à Tilabiri aujourd'hui ou à Difa, évidemment, vous vous dites que vous êtes sur un terrain de guerre. Euh, le, type de réaction, le type de réflexe n'est pas le même. À Douchi, franchement, on peut penser qu'on est légèrement en sécurité. Bon, euh, j'ai écouté le, gouverneur de, de Dosso, justement, qui parlait, qui disait qu'il n'avait pas de sécurité zéro, qu'il y avait déjà dans cette zone hein, des, des, gens qui ont des coupeurs de route et tout ça. Il y avait une sorte d'insécurité résiduelle qui n'avait pas l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui, puisque là, Apparemment, ils ne sont pas venus rançonner les gens, mais me prend directement au symbole de l'État qui est représenté le porteur de tenue. Et donc, ça montre qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de grandir, sur lequel il faut redoubler de vigilance. Je pense que le discours seul ne suffit pas. Alors, euh, ce qu'on a vu, c'est que euh, euh, l'État fait un communiqué, on se met tous pour quelques temps, il y a des obsèques nationales, puis après, on, oublie, Et, puis, et puis ils reviennent. Et donc, ça montre qu'aujourd'hui, qu'il ne faut pas oublier qu'il faut rester alerte et il faut surtout travailler les communautés parce que si elles, elles sont vraiment alertes, ça peut aider les forces de défense et de sécurité à mieux faire leur travail. Mais comme ça, ça peut arriver n'importe où. Si vous ne vous attendez pas, eh bien, vous pouvez être surpris et c'est malheureusement ce qui arrive à ces gendarmes à, bagages Vous avez, quelque chose à ajouter en, oui, 10 secondes. en, 10 secondes Ce que je voulais dire, c'est que euh, vous savez, quand ils sont venus avec une lance-roquette, euh, la lance-roquette, normalement, on la met en bandoulière, en fait. Mais bon, si vous venez en plein jour faire une attaque, c'est que vous ne la mettez pas en bandoulière, c'est sûr. Ils ont dû la camoufler, soit dans un sac une sorte de sac ou un truc, mais à l'approche du, du marché, ils vont la lever. Ils ont dû la camoufler. Mais ce que je veux que les gens sachent, c'est qu'il y aura toujours des attaques terroristes. Parce que quand des pays comme les États-Unis, la France sont régulièrement attaqués, quand des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre sont régulièrement, attaqués, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Maintenant, c'est la capacité à résister à ces attaques. C'est ça qui fait la différence. Dieu merci, pour le moment, le Niger n'est pas comme le Mali, n'est pas comme le Burkina où pratiquement chaque semaine il y a des attaques. Mais cette attaque au niveau de Bagaji, doit amener à s'interroger. Je vous assure que c'est inquiétant. Parce que maintenant, aujourd'hui, les villageois qui vont dans les marchés, dans tous les marchés du Niger, ils vont aller avec la main sur le cœur. Et les forces de défense et de sécurité doivent, vraiment revoir leur stratégie. Rapidement, rapidement. Juste, juste le, marché, c'est aussi un lieu symbole. Dans la région de Difa, quand à un certain niveau de, euh, quand la terreur a vraiment atteint un certain niveau, les forces alertes dispersaient les marchés. Mhm. Dans les marchés, si on dit ah, il y a des gens non identifiés qui arrivent, il y a des risques. Les gens se dispersaient, ils abandonnaient les marchés. Donc les marchés, c'est vraiment des lieux symboles où les communautés se retrouvent et sur lesquels justement il faut, il faut travailler. C'est arrivé dans la région de Difa où des marchés étaient dispersés. Parfois pas des rumeurs, puisque personne n'a confiance. Au Nigeria aussi, au nord Nigeria, euh, quand on dit Ah, ben il semble que des gens de Boko Haram sont dans les parages, les gens se dispersent. C'est des lieux qu'il faut contrôler. L'observation stricte hier de la journée ville morte par la population de Tilaberi, fâchée suite à l'interdiction de circuler la nuit, a permis d'ouvrir des négociations qui ont abouti. La teneur des conclusions avec Morou Kaboye, maire de Tilaberi, au micro d'Abdoulaye Mamoudou. L'accès des véhicules et des motos à la ville est interdit à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. À l'intérieur même de la ville, la circulation des véhicules et des motos est interdite seulement à partir de 0 heure jusqu'à 6 heures du matin. La circulation des piétons, elle est interdite de 0 heure mais jusqu'à 5 heures du matin parce que vous, les imams, les musins, c'est dès 5 heures qu'on commence à aller à la mosquée. Voilà les nouvelles mesures. Le reste reste sans changement, c'est-à-dire les réunions publiques sont assujetties maintenant à des permissions, à des autorisations. Les palpations, les fouilles, les contrôles d'identité, les perquisitions à domicile, c'est autorisé Abdoulaye Amoukou, président régional de la Chambre de concertation des ONG et associations de développement de la région de Tilaberi, se réjouit de ce consensus euh, trouvé. Il est joint ce matin au téléphone par Gungu Mahman Dantani. Dans un premier temps, nous pensons quand même que nous sommes euh, vraiment satisfaits. Je ne dirais pas totalement, parce que euh, là, si franchement euh, les autorités ont consenti cela, ça veut dire qu'ils ont vraiment entendu l'appel effectivement de cette population. Est-ce que cette nouvelle mesure a été appliquée hier ou elle va commencer aujourd'hui je ne dirais pas que hier, effectivement, ça a été appliqué, mais en tout cas, normalement, ça doit prendre effet à partir d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a aussi eu des accompagnements pour vraiment atteindre cela. Comme vous le savez, il y a aussi des cas d'urgence où quelqu'un peut tomber malade. Comment il faut faire pour l'évacuer Et ce matin, cette même société civile euh, se retrouvait autour, effectivement, du maire de la commune de Telabéry pour échanger éventuellement par rapport euh, à comment accompagner cela. Hassan Boukar, votre réaction après avoir écouté ces deux réactions Bon, c'est des réactions auxquelles euh, on peut s'attendre dans les zones de conflit. Euh, entre les mesures qu'on prend et les libertés publiques qu'il faut respecter, il y a souvent un conflit. Et donc, à Tilaberi, c'est ça qui est arrivé. Évidemment, les autorités voient la nécessité de prendre des mesures afin de sécuriser les citoyens quelquefois, les citoyens ont l'impression que ces mesures sont excessives euh, au vu de la situation. Et donc, chacun réagit en fonction de l'information. Quelquefois, les autorités ont des informations, parfois qui viennent des services de renseignement, etc., qui font que, pour elles, il faut prendre des mesures et que ces mesures sont à la hauteur de la menace. Mais il y a une difficulté à communiquer face à ces menaces, euh, face aux populations qui sont euh, les victimes qu'on veut protéger, on ne trouve pas la bonne formule pour communiquer. Dès lors qu'on ne communique pas et qu'on sorte les mesures, les populations euh, crient à, la rigueur, à l'excès des mesures, etc. Et du coup, on n'arrive pas à s'entendre. Alors, le fait qu'on arrive à une ville vous voyez bien, euh, ça veut dire qu'il y a quand même... Euh, euh, a une incompréhension entre l'autorité qui prend ces mesures, normalement au profit de la communauté, et la communauté qui euh, considère que ces mesures sont, sont, sont des trop. Et donc, euh, c'est des choses qu'on a vécues aussi un peu dans la région de Difa. à Tilabéry, ça vient de commencer, dans la région de Difa. Il y avait eu aussi des moments où des organisations de la société civile avaient rendu publiques des déclarations pour demander l'allègement de certaines mesures, notamment puisque là-bas, les, activités liées à la pêche, à l'agriculture étaient interdites. Euh, euh, et donc, pour les gens, c'était des trop, ces mesures-là. Même dans une zone de guerre, il fallait quand même les alléger. Sinon, euh, à force de vouloir protéger les populations par ce type de mesures, on en fait aussi des victimes. Et donc là, à Tilaberi, je ne suis pas surpris. C'est bien aussi que l'autorité puisse écouter. Mais il faut tirer les leçons de ça. On ne fait pas le bien de quelqu'un contre sa volonté. C'est assez simple comme démarche. En démocratie. Selon, vous, c'est une très bonne chose le fait d'écouter euh, les populations de Tel Aviv Partout, ce qu'on attend des autorités. Avant tout, les autorités sont les représentants. Et c'est des représentants élus. Ça, c'est le maire de Tel Aviv que j'ai entendu. C'est des représentants élus. Et donc, ils doivent avoir la facilité de s'adresser à leurs électeurs. Ils doivent avoir la facilité de s'adresser à la communauté. Lorsqu'il y a des menaces, peut-être qu'une bonne communication, aurait fait passer même des menaces plus difficiles que celles-là. Il suffit de convaincre la communauté qu'on le fait parce que sans cela, voilà à quoi on est exposé. C'est donc la communication qui fait défaut. On en a beaucoup parlé dans ce, dans ce studio. À mon avis, le fait que peut-être que les autorités auraient pu prendre les mesures en conformité après avoir échangé avec la communauté, c'est possible, rien ne l'empêche. Et donc, à mon avis, des autorités élues et c'est un peu ça aussi le sens de la décentralisation. Cette administration de proximité doit être à l'écoute de la communauté, prendre des décisions qui soient conformes aux attentes de la communauté. Lorsque on a la capacité d'expliquer, de faire ressortir les menaces auxquelles on fait face, en temps de guerre, hein, j'imagine qu'une autorité ne prend pas aussi des mesures parce qu'elle veut les prendre, mais elle pense que c'est sa responsabilité. Euh, euh, Tilabiri a déjà subi des, des attaques, y compris à l'entrée de la ville. Logiquement, si les choses se répètent, on pourrait s'en prendre à l'autorité en disant qu'ils n'ont rien fait pour protéger la communauté. Alors aujourd'hui, ils prennent des mesures, vous voyez bien, il y a cette incompréhension. À mon avis, il est bien de retenir la leçon, même si on veut prendre des mesures au profit de la communauté, c'est bien de parler avec la communauté. Peut-être qu'on arriverait à des décisions consensuelles qui éviteraient une journée ville morte à ou ailleurs. Issa le fait euh, de repousser l'heure de l'interdiction de circuler à minuit est-il euh, réfléchi et quand on sait que l'essentiel des attaques euh, sont intervenues avant minuit bah, euh, je, pense que Abba a déjà notifié cela. Le fait d'écouter cette grogne de la population est une bonne chose. Ça démontre que réellement que ce qui est en train d'être visé, c'est dans l'intérêt du peuple et des populations. Mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la recherche de résolution, euh, de cette crise sécuritaire, c'est que, <clears throat> excusez-moi, mhm. on ne met pas réellement la population dans les conditions à comprendre qu'elle a une partition à jouer. On prend des mesures et on privilégie beaucoup. Moi, je pense qu'avant même de décréter euh, l'état d'urgence, il fallait mener des consultations avec les communautés pour qu'eux-mêmes comprennent que l'état d'urgence qu'on va, les mesures qu'on va prendre, ces mesures-là, c'est pour, de, vous protéger vous-même. Maintenant, on ne peut pas réussir cette mission sans que vous ne collaborez pas. Voilà. Aujourd'hui, que les gens de Tilaberi, ils, ils, ont observé hier une ville morte. Alors, vous savez, c'est quoi la conséquence Aujourd'hui, ils se sont arrogés une responsabilité qu'ils sont obligés de tenir. Collaborer, quelles que soient les conditions, avec les forces de défense et de sécurité. Les alerter quand il y a tout mouvement suspect si vous êtes capable de dire qu'on n'est pas d'accord, alors assumez-vous. Mettez-vous dans la robe de ce citoyen modèle, de ce citoyen qui est soucié du développement harmonieux et de la quiétude sociale. Voilà la responsabilité aujourd'hui qui incombe à ces mêmes communautés. Les acteurs de la société civile ont guidé le mouvement. Eux, ils ont guidé le mouvement. Maintenant, il revient à eux aussi de partir auprès de ces communautés, les sensibiliser, pour le amener à ce que d'abord, c'est quoi le problème aujourd'hui Le plus grand problème, c'est le problème de communication. Parce que les gens n'arrivent pas à bien appréhender cette situation. Mais il faut leur comprendre que ce n'est plus l'époque à changer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les jars de guerre où c'est soit des bandits armés ou bien euh, c'est une rébellion. Non, non, non, non. Ces gens-là on ne sait même pas parfois qu'est-ce qu'ils veulent quand ils viennent attaquer. Ils attaquent soit les symboles de l'État, ils viennent dans des campagnes, dans, euh, dans un village, ils égorgent les gens comme ça, sans raison. Donc il faut qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils arrivent à faire ce travail. Maintenant, pour finir, euh, l'état d'urgence, moi je pense que, même si le fait c'est seulement à Tilaberi, hein, dans la ville de Tilaberi, mais l'entrée et la sortie, les heures restent inchangées. À partir de 22 heures, personne ne sort, personne ne rentre. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que de toutes les façons, on sait que la ville est quadrillée. C'est au sein de la ville que les activités vont continuer jusqu'à zéro heure. Gary Amadou, la méfiance des populations qui hésitent à dénoncer d'éventuels suspects dans les différentes parties de la région est-elle un facteur qui facilite les incursions armées dans les différentes localités oui, c'est clair que euh, quand, les populations ne collaborent pas, quand les populations ont peur des représailles des terroristes, quand les populations ont l'impression que, bon, quand les terroristes vont revenir, il n'y aura personne pour les protéger, ça va être compliqué de, collaborer. Mais moi, j'aimerais quand même m'arrêter sur ce qui s'est passé au niveau de la ville de Tilaberi. Ce qu'Abba dit est vrai. À dire que euh, euh, devait, par exemple, avant de prendre cette mesure-là, réunir les chefs traditionnels, les chefs les, autorités, les chefs de village, les leaders d'opinion, voilà, les chefs de quartier, les réunir et les informer sur la menace. Parce qu'il y a des informations qui font que on veut interdire la circulation des motos à Diva, euh, à, dans la ville de Tilaberi. Il y a des informations. Le ces informations-là, nous avons des informations sur lesquelles les terroristes veulent venir dans la, la ville pour faire ça, ça, ça, ça. Il faut que vous informiez les habitants qu'on va prendre des mesures, vraiment, c'est de leur intérêt. Là, s'il y a cette communication-là, comme l'a dit Abba, ça peut permettre aux gens d'accepter ces mesures-là. Mais maintenant, comme l'a dit Issa, ceux qui ont lutté pour qu'on amène ça à minuit, à partir de minuit, il faut qu'il s'assume, parce que là, c'est comme si on dit aux terroristes, bon, vous avez l'autorisation de faire des attaques. Avant minuit. Ah, mais c'est ce que ça veut dire. Ah, vous pouvez venir à Tilaberi à moto <laughs> jusqu'à minuit, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir faire vos attaques, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude. Mais à partir de minuit, <laughs> c'est interdit. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est parce qu'il y a une certaine insouciance. En fait, il n'y a pas eu d'attaque dans la ville de, Tilabéry. Je suis sûr que le jour où des terroristes vont rentrer à moto dans la ville, Aller par exemple, je prends un exemple, la résidence du gouverneur, ou bien aller dans des, dans des postes sensibles, des endroits sensibles. Mais les attaques les hôtels, puisqu'il y a des hôtels à, à Oui, il y a des hôtels, il y a des hôtels neufs qui ont été construits ou des occidentaux Bon. Il y a un hôtel à côté de, de, de, l'hôtel La Girafe. Il y a un autre hôtel où on dit que les Occidentaux, c'est là-bas. allusion à l'hôtel Yoliba. Oui, l'hôtel Yoliba. Mais c'est des cibles. Le jour où les terroristes vont aller attaquer l'hôtel Yoliba, entre <laughs> vraiment les heures là, avant minuit, le jour là, la population va comprendre qu'il ah, y a un problème. Maintenant, et, eh, et s'il y a des cellules dormantes au sein de la ville de Tilaberi Parce que les terroristes, ils sont intelligents, ils ne sont pas bêtes. Est-ce que vous comprenez Ils réfléchissent. C'est avec ce que vous faites, ils s'adaptent. Maintenant, ils se disent que bon, c'est plus compliqué à partir de minuit, mais avant minuit, c'est possible. Donc, ce qu'on va faire, on va attaquer l'hôtel Joliba entre 19h, lors de la prière, parce que c'est toujours lors de la prière, puisque nous militerons la fâcheuse habitude, à l'heure de la prière, tout le monde va prier. Tout le monde. On laisse les armes, on va en prix. C'est vrai, la religion c'est important, mais il faut faire attention. On fait un métier à part qui fait que même aux heures de prière, il faut s'organiser. Ah oui, euh, il faut s'organiser, c'est même recommandé par l'islam. C'est recommandé par l'islam, mais ici, <laughs> ça m'a rappelé une, fois une anecdote. J'étais à l'aéroport de Niamey, il y avait un acteur de la société civile qui a, vu des officiers. Il dit Mais, mais l'armée nigérienne s'est gâtée. Il dit un imam dans une armée. Il dit, mais c'est grave. rapidement. je, vous dis je rapidement, euh, enfin oui, euh, euh, bon, peut-être que la lecture dégarée est peut-être excessive, hein, ça ne veut pas dire une autorisation d'attaque avant minuit, mhm. mais ça, montre en fait le niveau d'analyse. C'est-à-dire que quand vous êtes une autorité, vous avez des informations qui viennent des forces de défense et de sécurité, des renseignements et des choses peut-être très précises qui vous permettent de prendre les décisions que vous prenez. Mais de lors que vous ne, trouvez pas un mécanisme pour partager avec la communauté. Les gens pensent que non, vous paniquez et puis vous prenez des mesures qui ne se justifient pas. C'est juste en fait un décalage du niveau d'information. S'il n'y a pas de mécanisme pour bien informer la communauté, il y aura toujours ce type de réaction. le président nigérien a procédé jeudi au lancement officiel des travaux d'aménagement de la corniche Yantala et les berges du fleuve Niger. Avant, les engins de la mairie ont, euh, démoli des baraques et des maisons au quartier Sagagourou, 4e arrondissement de Niamey. Selon les responsables de la ville de Niamey, ces démolitions trouvent leur fondement dans une décision de justice qui a tranché le litige foncier entre euh, des propriétaires de ces terrains litigieux euh, dont certains ont acquis, euh, ont acquis avec un présumé indélicat en fuite. Gary Amadou, Avez-vous des précisions sur la nature et les caractéristiques des infrastructures qui seront érigées euh, sur la corniche de Yantala Vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas quelles sortes d'infrastructures seront construites, mais certainement que ça va rentrer dans le cadre de l'embellissement de la ville de Niamey. Parce que il y aura des voies, des voies qui seront un peu aménagées, il y aura des, je crois, des, des, des, complexes hôteliers, façon et tout ça là. Ça va être vraiment une sorte de Riviera, Riviera euh, qui va être construite là-bas, ça va être bien. Maintenant, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, c'est vrai, on a démoli. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir est-ce que la population a été avertie à temps Est-ce qu'on a donné un délai pour que les gens puissent quitter euh, les lieux avant qu'on vienne démolir. C'est ça qui va m'intéresser beaucoup. Vous comprenez Mais sur, sur, le concept, la terre appartient au, peuple, mais aussi elle appartient à l'État. Et l'État peut décider à un certain moment euh, de, de, prendre certaines portions de terrain. Mais quitte à elle, maintenant, ces gens-là à qui on a dépossédé, qu'on puisse vraiment trouver des moyens pour pouvoir les dommager Parce que même si c'est un escroc qui les a escroqués, la terre appartient à l'État, ces gens-là ont été lésés, n'est-ce pas euh, c'est vrai, on peut dire qu'ils ont été naïfs, mais euh, le gars les a escroqué il a fui. Mais il trouve que l'État, quand même, les citoyens appartiennent euh, enfin à l'État, à ceux qui, en tout cas, ceux qui nous dirigent. Ils ont la responsabilité de veiller à la condition, aux, bonnes conditions de vie des populations. Donc, ces gens-là qui sont dans des situations difficiles, il faut que l'État puisse trouver des moyens pour pouvoir les réconforter, en tout cas, mettre dans les conditions où ils puissent puis supporter ce qui leur est arrivé. Maintenant, euh, euh, euh, l'embellissement de la corniche, vraiment, je trouve que ça serait une bonne chose parce que a est en train de changer. Je pense que d'ici quelques années, on va voir une ville complètement métamorphosée et en ce moment-là, les gens vont se rendre compte que ah, tous les efforts qui ont été déployés sont finalement, en tout cas, porteurs. C'était positif. Et Hassan, Boukar, les habitants montrent leur désolation, semble-t-il, pour euh, n'avoir pas été avertis à temps. Euh, comment faire pour éviter de tels désagréments à l'avenir Je pense que dans la ville de Niamey, on vit une réelle insécurité foncière. Il y a une réelle insécurité foncière euh, qui, vient de, de, la légèreté avec laquelle les pouvoirs publics gèrent le foncier, mais aussi, quelquefois, du point de vue du droit, je peux comprendre qu'il y avait aussi des insuffisances qui font que, par exemple, euh, les, propriétaires fonciers peuvent presque donner comme ils veulent, faire euh, ce qu'ils veulent de la terre, etc. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Alors j'imagine, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a travaillé pendant des années, qui a fait Adassa, qui, qui s'est endetté, aller prendre une parcelle extrêmement chère avec les actes de cession. Hein? exactement. Extrêmement cher. Faire toute la démarche, venir caser votre famille. Puis un matin, vous venez, le caterpillar de la mairie la, la Non. D'abord, du point de vue vraiment du rapport entre citoyen au pouvoir, ce n'est pas acceptable. Mais aussi dans un pays musulman, parce que lorsque vous mettez quelqu'un qui a déjà fait des années avant d'être là, vous le ramenez au point zéro. Et les pouvoirs publics dorment tranquilles. On ne sait pas où vous dormez. Je me rappelle de ce qui s'est passé par exemple, à 50 mètres à côté de Talagé. On a laissé les gens, tout le monde les a vus, les pouvoirs publics les ont vus, ils les ont laissés construire. Puis un jour, on est venu dire que ce terrain ne devait pas appartenir à des privés, ça veut dire qu'ils n'avaient pas été protégés. Mais ils n'ont pas été protégés. Les, les pouvoirs publics ont aussi le droit de contrôler. Mais une ville, ce n'est pas la brousse de l'Amazonie. Même dans l'Amazonie, c'est contrôlé. Une ville, il y a quand même des autorités qui doivent pouvoir contrôler la ville. Le chemin directeur d'une ville, ce n'est pas pour rien qu'on le, fait. Et vraiment, on doit créer les conditions de façon à ce que les citoyens qui ont besoin aujourd'hui d'aller se munir, avoir le petit espace où ils vont caser leur famille, puissent avoir un minimum de sécurité. Quand vous parlez de titres fonciers, normalement, c'est la sécurité que vous avez un titre foncier et bien vous êtes protégé. Alors aujourd'hui, on dit c'est une décision de justice, puis vous êtes déguerpis parce que, semble-t-il, quelqu'un aurait arnaqué les gens et puis les parti Alors les citoyens sont dans une réelle insécurité foncière. Et là, l'État ne fait rien pour les protéger. Euh, regardez, même dans, les rues, au bord de la chaussée. Un jour, les, un maire se lève, il envoie les caterpillars, puis on voit des gens qui viennent s'installer parce que quelqu'un a autorisé qu'ils s'installent. C'est parfois des personnes euh, périphériques. Puis on voit des autorités qui viennent. Et tous les gens qui sont dans ça sont dans une insécurité totale. Donc il est grand temps, franchement, il est grand temps qu'on puisse créer des conditions pour que chacun puisse voir clair quelles sont les conditions pour qu'on puisse se doter d'un terrain, d'un espace euh, dans la ville de Niamey et comment on les perd. Mais ce n'est pas normal qu'un jour, alors que vous avez franchi des années avec tout ce que vous avez fait pour arriver là où vous êtes, dans un pays pauvre, puis un matin, vous perdez tout. Non, ça, ce n'est pas acceptable. Isamadougou, euh, dans le projet d'embellissement de notre capitale Niamey, euh, l'on a l'impression que les déguerpis ne sont pas toujours euh, relocalisés à temps, relogés à temps. comment se prennent à votre, comment se prennent à votre avis ces décisions qui fâchent toujours Vous savez, moi, je ne suis pas euh, comme expert du, domaine, je ne suis pas dans le secret de comment doivent être guidés ce mais j'estime qu'il y a des textes qui encadrent ce genre d'opération, qui prend le en fonction. Il y a la durée, la manière, et surtout quand on entend parfois, c'est des ordres que c'est des décrets qui sont pris pour déclarer la zone d'utilité publique. Et cette décision est accompagnée aussi par des mesures d'accompagnement, soit de relogement ou d'indemnisation. Mais Parfois, il faut aussi dire que <laughs> nous-mêmes, nous facilitons pas la tâche à l'État dans certaines opérations parce que nous voulons jouer le coup du jackpot. Alors, non, il faut, parfois, moi je pense qu'il suffit seulement d'avoir des bonnes décisions et des cadres de consultation appropriés pour trouver la recette qu'il faut pour y remédier à cela. Aujourd'hui, il y a il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Rapidement. Il ne faut pas mélanger les cas de, euh, de, déguerpissement où c'est des problèmes entre des personnes et les cas de l'État. Là, si c'est entre deux personnes, c'est un autre type de problème. Mais entre de l'État, parce que ici, pour le cas de Combo, je crus entendre le président de la délégation spéciale qui avait dit que c'est un comité qui a été installé, ils ont recensé les populations, chacun avec sa parcelle, et ils ont trouvé un site où ils seront relogés. Et ils sont à pied d'œuvre pour leur installer l'électricité, l'eau et, doter aussi d'infrastructures sanitaires et éducatives. Donc moi je pense que sur ce point, il y a un autre. Mais ce que je voudrais ajouter peut-être, je ne sais pas, c'est l'heure qui. met le projet de la ville, c'est une bonne chose. Mais ce que moi, je veux que. J'aurais bien voulu aujourd'hui qu'on décentralise un peu Niamey, qu'on ne concentre pas. Le centre-ville de Niamey a une histoire. Il ne faut pas perdre cette histoire. Il ne faut pas euh, recommencer cette histoire. Moi, je pense qu'il faudrait garder certains aspects. Et aussi le fait qu'on a investi de l'argent dans certains bâtiments qu'on est en train de casser aujourd'hui. vous avez quelque chose à ajouter rapidement En fait, il y a un problème aussi là où de communication. Parce qu'il y a un service au niveau de la mairie qui vérifie les titres fonciers. Le, service domanial. Oui, même si avant d'acheter une parcelle, même si un titre foncier, dites à celui qui va vous vendre, non, on va à la mairie, on vérifie que le terrain. Ou bien chez les notaires non, même, non, chez les notaires. Vous savez, il y a une mafia, en fait. Il y a une mafia la mairie des maires. avoir une base de données. Oui, le problème, c'est qu'il y a des maires mafieux, n'est-ce pas Des, des, des, des, sous-traitants mafieux, etc., etc., qui sont en train de griger les gens. Maintenant, avant d'acheter, s'il y a un titre foncier, vous dites, bon, écoutez, je suis d'accord, je vais acheter le terrain, mais allons-y à la mairie demain. Avant que je ne paye, allons-y, je vais vérifier si le titre foncier est correct. Si le correct, je paye. S'il n'est pas correct, je ne paye pas. Dimanche prochain, le Sénégal et le Mali joueront la finale de la Coupe d'Afrique des Nations du football des moins de 20 ans à Niamey, après avoir écarté six autres équipes, de le Niger, de le premier tour. Hassan Boukar, rapidement, comment avez-vous vécu cet événement sportif Bon, j'aurais bien voulu que le Niger joue demain dimanche, euh, mais <laughs> euh, le Niger est éliminé très tôt. Normalement, les pays qui organisent se donnent quand même un temps de préparation et euh, se battent pour être le plus long possible dans la compétition. Ça n'a pas été le cas du Niger. J'ai écouté les excuses du secrétaire général de, la de la sur les médias. J'ai écouté aussi beaucoup de commentaires sur la démission de l'entraîneur ah du, du Niger. Ce qui m'a plu, c'est peut-être cette démission ça montre pour moi simplement que quelqu'un assume des choses. Ce n'est pas une tradition dans ce pays. Peut-être que ça viendra par le football et c'est une bonne chose. On a beau demander aux acteurs politiques d'assumer des choses, ils n'arrivent pas à le faire. Peut-être que ça viendra par le football. Alors voilà une équipe qui n'arrive pas à aller, qui fait des défaites, puis à quelqu'un qui assume, qui considère qu'il a une part de responsabilité. Je pense qu'il faut tirer un chapeau à cet entraîneur, mais globalement, on aurait pu mieux, mieux, préparer faire. cette euh, compétition, aller plus loin. Bon, c'est une, euh, c'est, compétition. D'autres aussi se préparent, il hein. ne faut jamais le perdre de vue. Euh, ça veut dire que les autres se sont mieux préparés que nous, mais il faut tirer les leçons pour l'avenir. Gary Amoudou, Hassan Boukal l'a rappelé, l'entraîneur euh, du Niger a jeté l'éponge euh, dimanche. Comment analysez-vous cette démission qui tombe après l'élimination euh, de de et poulain Oui, c'est un homme digne parce que en fait, Soumel Tchemogo, il aurait voulu, il aurait voulu amener le Niger vers la finale. Mais il considère que c'est un échec personnel parce que ce qu'il a voulu n'a pas pu se, passer. Ce n'est pas forcément sa faute. Vous savez, le football, là, il n'y a pas de magie. Hein ces deux pays-là qui sont en finale là, mais ce sont des pays où on ne blague pas avec le foot. C'est des nations de foot. Hein. Non, au Niger, on blague avec le foot. C'est-à-dire qu'on ne prend pas ça au sérieux. J'ai l'habitude de le dire euh, sur, ce plateau. C'est-à-dire que eh, dans, des, des, pays où. Mais pourquoi ça marche au Sénégal Pourquoi ça marche Regardez au Burkina à côté, ça marche. Au Mali, ça marche. Mais pourquoi ça ne marche pas au Niger Il y a un problème de fond. Il faut aller voir comment est-ce que ça fonctionne dans ces pays-là. Pourquoi il y a beaucoup de professionnels sénégalais Pourquoi il y a beaucoup de professionnels maliens Pourquoi il y a beaucoup de professionnels maliens Mais pourquoi il y a, pratiquement un seul Après Moussa Mazouma, je ne sais pas s'il y a un autre. Et lui, il est en perte de vitesse. Donc, il y a un problème. Mais alors, il faut qu'on puisse savoir, il faut qu'on puisse aller. Mais c'est quoi le problème du football nigérien Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ça marche dans des pays qui ont presque les mêmes, les mêmes, les mêmes situations financières que nous Mais ici, ça ne marche pas. Il y a un problème. Mais en blague, mais c'est de la blague quand vous entendez des joueurs de l'équipe nationale on vous dit que non, non, prime de match. Il faut qu'il. On, le donne pas Il faut qu'il grève. Il faut qu'il grève pour qu'on donne des prime de match. Ou même, match, équipe nationale, on va vous dire prime de match 500 000. 500 000 francs, prime de match. Ou même, vous avez le gars, il va faire plusieurs. Euh, enfin, avant, avant euh, il est sélectionné à l'équipe nationale, mais il va venir lui demander de l'argent pour partir prendre le petit déjeuner, jeu de l'équipe nationale. Et puis on me dit qu'on prend le football au sérieux, mais c'est de la blague, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais, parce que c'est le même système. Et quand j'avais dit sur ce plateau, j'ai dit non, la foot là, il faut limoger tout le monde. Il faut changer. Il faut amener une nouvelle, génération d'acteurs de football. Et il faut aller dans les autres pays voir pourquoi ça marche. Qu'est-ce qu'ils font que ça marche et que ici ça ne marche pas. Issa Madougou, mercredi, c'est une grosse coupure d'électricité au stade général saint Sénikountié qui a provoqué une panique chez les organisateurs de la Cannes quelques minutes avant le début des rencontres. Euh, comment expliquer ce état de fait Oh, ça, c'est impardonnable. Non, eh, regarde, je veux prendre un peu la compétition. Quand U, 20 20 2019 Du point de vue de compétition, on a vu des équipes de, euh, de bonne facture. On sait que l'avenir, le football africain a de l'avenir, malgré qu'aujourd'hui, c'est les conditions qui font en sorte que d'autres sont plus à l'aise à jouer, à démontrer un jeu vraiment tactique. Organisation si je suis appelé à noter et à prendre des décisions, je donne zéro, moins zéro même sur 20 parce que à la limite. Tu n'es pas un organisateur. Non, à la limite, c'est une insulte nationale. Oh, c'est une démission de la FENIFOOT. Une coupure. Entre nous, quoi. Déjà à Maradi, c'est manque d'éclairage de, de, d'éclairage qui ont fait en sorte qu'on a décalé, on a réaménagé le, le, programme. le programme. Pourtant, ce n'est pas en une semaine que la CAF a attribué l'organisation de cette compétition au Niger. Donc, y compris la Foot, y compris le ministère des Sports, moi je pense qu'on ne peut plus continuer à tolérer. On dit qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de renaissance et de modernisation sociale. Ce qui veut dire que le Nigérien doit mettre la nation, l'intérêt et l'image de la nation dans chaque acte, dans son comportement et dans tout ce qu'il fait pour montrer qu'il vient de ce pays. Et ce pays, c'est un pays où on croit c'est un pays d'espoir, c'est un pays de travail, c'est un pays de valeur. Mais on vient, coupure, au stade général, même si on, pense que la, solution est réglée, mais c'est une aberration. Et comme aujourd'hui, que Kemogo a montré la voie. Mais comme ce n'est pas de tradition, y compris aujourd'hui. Peut-être que c'est un déclic euh, Abba l'a rappelé. C'est peut-être un déclic, mais non, ça ne va pas venir. Pas, Samuel n'est pas euh, les autres, euh, il est différent des autres peut-être. Mais regarde de la manière dont le flou artistique entoure le monde du football. Pelé gère la foot comme une caserne. Non, ça ne gère non, pas. Pas d'attaque personnelle. Non, non, pas non, non, non, je, ne pas, je ne peux pas, je suis pas en train de l'attaquer. Il faut, il, faut, il faut réagir par rapport à la coupure intervenue. La coupure, non, Mokhtar, je l'attaque pas personnellement parce que je n'ai rien. C'est un point de vue. C'est mon point de vue, je n'ai rien contre lui. Kassou Mokhtar est de son côté, qui ne communique pas. Maintenant, pas d'attaque personnelle. Non, j'ai une attaque personne. C'est dans les personnalités publiques. Aujourd'hui, c'est les ah, institutions ah, qu'ils dirigent. Aujourd'hui, si ça ne va pas, on est obligé de leur Il faut dire la fin. Il faut tenir la personne de pays. Mais qui gère aujourd'hui Quand ils ont attaqué Issa Yatou pour dire que Issa Yatou a prostitué la CAF, alors aujourd'hui, Ahmad euh, Qu'est-ce qu'il a pu montrer Voilà, voilà nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan boukar de la radio alternative, Garé Amadou du quotidien La Nation et Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi de, 17h15 pour le forum en Hausa et dimanche pour le forum en Jarma. Merci, au revoir.